assalamu au Sénégal alaikum, wa département de Mbour alaikum, toute la population qui Je ngi wax ci turu la coalition avec l'IGE kati Nous avons dem ci élection sous la bannière de avec kati Kati. di saluer au passage suñu président le président Babacar Pascal Dione si liggéey bu rafet bi mu ànd ak ñun di ko liggéey pour l'intérêt de la communauté de Thiadiaye pour l'intérêt de la commune de Thiadiaye pour le développement de la commune de Thiadiaye may ñëw di wax en tant que conseillère municipale euh, ci problème mu loi sur la parité ku nekk xam na ne parité bi dañu wax benn jigéen benn góor wala benn góor benn jigéen ñu jóge ci ay élections locale la coalition avec liggéeykat yi liggéey ba génnee neuf conseillers municipaux population Thiadiaye Oise tabb leen ca mairie ba pour ñu toogal leen fa liggéeyal leen ñuy saluer ñi nga xam ne ñoo sonn guddi ak bëccëg ba teg ñu ca mairie ba pour ñu liggéeyal Thiadiaye muy population bi kon dafay jaadu. suñu porter ce combat dem élection génn ak neuf conseillers taxaw pour liggéeyal suñu commune ñu taxawal bureau municipal bi te respecté wuñu parité bi préfet séance tenante signalé nañ ko ne ko monsieur le préfet ndax bàyyi nga xel ci parité bi mu dégager responsabilité Nous ñu dem élection pour installer le premier adjoint la cellule genre muy jigen ñi porter sen candidature ñu gagné len waye du tax ñu daanu parce que biñu fa joggé dañu porter le combat au niveau des tribunaux combat bobu ñu porter au niveau des tribunaux dañ ko porter pour fi ci commune Thiadiaye maire bu fi toogati boy defati boy taxawalati bureau communal ànd si ak préfet di nga xalat ne ah, at bañu ko défé avec la coalition du Kekati, Adjane Ngone en tant que femme leader de porter le combat pour le genre Djok na toutes les femmes leaders du Sénégal au niveau des tribunaux pour nous, delloo droit droit c'est ce dañ koy top ba mu jeex ba lan le maire elage Oumar Youm dañ lay laaj nga bureau municipal cour de cour d'appel de Thiès génne na résultat bi génne jugement bi xamal la carrément la il faut yow ak préfet bi ñu réinstaller waat le bureau municipal de Thiadiaye lan ngay xaar pour réinstaller le bureau municipal de Thiadiaye parce que depuis janvier ba légui dara doxul ci dëkk bi commune Thiadiaye doxut liggéey amu fi commission technique yi monté nañ leen mais fi may wax ak yow ñun conseiller yi nga xamné ne

talul li doxal maire bi parce que maire la koy doxal conseil municipal mokoy doxal bureau municipal mokoy doxal te bureau municipal bi nekatul comme bureau municipal bi nekatul ci ban voies et le monsieur le maire di liggéeyee lolou lañ koy njëkk laaj mu jaadu nak pour ñu xamal population Thiadiaye que ne ñun dañoo taxaw pour liggéeyal Thiadiaye kon suñu gisé luñu ñu xamul dinañu def point de presse wax Sénégal yépp waa Thiadiaye xippi leen seen bët xool leen lii moo am ci mairie bi nii la doxalin bi amee pour que bu ëllëgee ñu ne ah ñun kat 2000 et poussière voix yi nga xam ne moom la ñu joxoon coalition avec liggéeykat yi mu représenté nag lu lu rëy ci dëkk bi parce que 2000 voix yooyu def naa bi ñu ñëwaatee ci élection législative yi feeñ na de feeñ na leer na ne ñun importé wuñu ay électeurs la population résidente de Thiadiaye ñoo voté la coalition avec liggéeykat yi motax ñu génnee neuf conseillers yoyu té biñu démé ci élection législative yi leer na nañ gis nañ chiffres yi kon dama né monsieur le maire le bureau municipal bi ñun jigen ñi duñu la bayyi tay duñu la bayyi ëlëk tank que installé woo bureau municipal bi papier jugement bi nga xamné mo confirmer confirmé que ne tribunal jox nañu dëgg ñun jigen ñi mo ngi ni gis ngeen ko kon lan la lan la monsieur le maire di xaar pour réinstaller le bureau municipal li muy ragal xam nañ ko waaye ñun li ñu intéressé mooy li doxal caajaay li muy ragal ay calcul politique calcul politique lay def parce que depuis mois d'avril la lañu la la la verdi bi génn muy préparé ba xam ndax élection yi dina bokk wala du bokk loolu moo waral lenteur administrative bi lenteur bii mu def tey ñun xam nañ li tax mu def ko léegi nag comme dem jóge nañ ci élection législative honorable monsieur le maire man Adja Ndeye Ngone Fall bi nga xam ne moo fi nekk di xeexal population Caajaay di xeexal jigéen ñi Caajaay dama lay wax ne la ñëwal ñu dem ca mairie ba lu ñu lu ñu yoon may ñu jël waaye dañu bëgg ñu installer suñu bureau municipal. problème bi fi mu nekk mooy premier adjoint bi bañ koy fal dafa gañe ci majorité mais góor la. te dañ ne benn benn góor benn jigéen su maire bi nekkee maire il membre du bureau municipal kon su ñëwee d'office en tant que membre du bureau municipal le premier adjoint jigéen la war a doon loolu la ñuy xeex te loolu la ñu bëgg ñu réparer ko te tirbinal réparer na ko parce que jox nañu dëgg kon nag waa Caajaay na ngeen xam ne li am mooy maire mooy daw débat bi maire moo ragal a taxaw taxawalat bureau municipal bi té dama yaakaar ne monsieur le préfet yi ñii boo ñu déggee war nga nak geustu ba xam ndax war nañu mëna taxawal bureau municipal bu tiajay conseil municipal bu tiajay war waruñu ko mëna taxawal euh, étant donné que ne le tribunal de Thiès accordé na euh deug bi jox nañu jugement bi légui nak même su fekkente ne monsieur le maire dafa bëgg sukkandiku ci dama déposé recours loolu warul mën téré ñu installé bureau municipal bi parce que yone que je wax ci ban réew nak lañu nek lay laaj wa Sénégal ban réew lañu nek ba bu yoon li mo am ñu jël ko ut yenen voie de contournement pour li yone wax ñu teggi ko teg li leen neex lool lañuy laaj monsieur le maire ak ñi mu àndal. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici en tant que conseillers municipaux de la commune de Tchadjaï. réunis en tant que conseillers ici de la coalition avec Ligue une alliance dirigée par le président Babacar Pascal John, que je salue au passage. Je voulais juste vous dire que si nous sommes là aujourd'hui, au nom de cette coalition, Bien évidemment, on ne restera pas à dire que nous sommes des conseillers de cette coalition ou d'autres, parce qu'en réalité, nous sommes des conseillers de toute la commune de Tchadiaï. <coughs> Mais il est bien de préciser les conseillers qui sont ici, présents aujourd'hui avec nous pour ce point de presse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes ici de cette coalition. Une coalition à laquelle on avait près de 2000 voix lors des élections locales de janvier 2022. Ce nombre nous a permis d'avoir une représentativité au niveau du conseil municipal de Tchadjaï. Nous sommes aujourd'hui neuf conseillers issus de cette coalition. Aujourd'hui, quand nous sommes là réunis, c'est dans l'intérêt typique de Tchadjaï et des Tchadjaïois. Pour rappel, le bureau du conseil municipal de Tchadjaï a été installé le 12 février 2022. Lors de l'installation, moi-même qui est là aujourd'hui, devant vous, avait dénoncé rigoureusement et devant le préfet, le sous-préfet, la violation flagrante de la loi concernant la parité dans le bureau municipal. Le préfet et le maire également avait opté le laisser faire, puisque malgré la dénonciation, le processus d'élection a continué et on a élu les trois adjoints au maire pour le compte de la mairie de Tchadiaï. Étant des conseillers responsables et respectueux, nous sommes levés pour dire que quel que soit alpha, la loi doit être respectée et dans toute sa rigueur. Ce qui nous a amené de déposer un recours à la Cour d'appel de caisse le 15 février 2022. En date du 28 avril 2022, dans son audience, la Cour d'appel de Thiès a demandé sans équivoque l'annulation à partir du premier adjoint de tous les membres du bureau du conseil de Tchadjaï. Je vous le précise bien, c'est depuis avril, le 28 avril, que la Cour d'appel de Thiès a demandé l'annulation et la réélection du bureau du conseil municipal de Tchadjad. Ce que le maire El Haji Omar ne veut pas entendre, il ne veut pas l'entendre puisque depuis lors, il n'a pas essayé de rétablir cette injustice Aujourd'hui, ce bureau est en train de faire un travail que je suppose, parce que nous, en tant que conseillers, depuis l'élection de ce bureau, on ne sait plus ce qui se passe au niveau de la municipalité de Tchadjaï. Aucune commission technique jusqu'aujourd'hui n'a jamais convoqué un conseiller dans le cadre de l'exercice de leur travail. Le maire, et pas ou complices des sous-préfets ne veulent pas la réélection de ce bureau du conseil municipal de Tchadjaï. Et je vous le dis, parce qu'il y a ce que je... Jusqu'ici, je ne peux pas comprendre le maire El Haji Omar Youm. Je me souviens en 2011, à l'université, il nous disait, je cite, je vais quitter le PDS puisque ma formation d'homme juriste ne me permet pas de soutenir une violation flagrante de la loi ou de la constitution de mon pays pour légaliser une troisième candidature du président Abdoulaye Wade. À partir de ça, depuis lors, malgré nos divergences politiques, je disais toujours que c'est un homme juste, puisqu'il avait quitté parce qu'il ne voulait pas violer les lois et la réglementation de notre pays. Mais aujourd'hui, je me désole. Je me désole si le maire, depuis huit mois, ne veut pas rétablir ce que la justice a ordonné à la commune de Tchadjahé. On dénonce rigoureusement et c'est également notre responsabilité en tant que conseiller de la commune de Tchadjaï de faire comprendre à la population de Tchadjaï qui nous a permis aujourd'hui d'être dans ce conseil municipal et de représenter dignement la population de Tchadjaï. C'est de notre devoir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là pour dénoncer cette injustice, ce manquement qui gangrène le travail de la commune. Nous demandons tout simplement à Monsieur le maire et le sous-préfet de Tchadjaï de prendre acte et de considérer notre demande, c'est-à-dire de faire sans délai une convocation pour réélire le bureau du conseil municipal de Tchadjaï. C'est par là que je vais terminer en demandant à toute la population de Tchadiaï que nous sommes vos conseillers. Nous sommes à la mairie pour vous. Nous sommes pour Tchadiaï. Nous essaierons avec tous nos efforts de vous représenter dignement. C'est de notre devoir de vous informer. Mais je demande ici également, est-ce qu'on peut informer à la population de Tchadiaï alors que nous-mêmes conseillers, on n'a aucune information sur la démarche de la commune de Tchadiaï. On ne peut pas donner une information qu'on n'a pas. Mais dans tous les cas, on demandera à Monsieur le maire, puisqu'on l'a fait, et on continuera également à le faire, de consiguer ses efforts pour être en phase avec ce que demande la loi, c'est-à-dire de respecter la parité dans le bureau du conseil municipal. Et cela, pour le faire, il est impératif de convoquer le conseil municipal de Tchadjaï pour la réélection d'un nouveau bureau du conseil municipal de Tchadjaï.